bismillah ñu tambali jema wax ci bañes radiyallahu ta'ala anhu bismillah ñu tambali sante ci bañes radiyallahu ta'ala anhu bismillah ñu ñaan yalla may ñu bañes radiyallahu ta'ala anhu bismillah ñu ñaan yalla dess ci bañes radiyallahu ta'ala anhu barham notre barham barham le sauveur barham le savant barham le bienfaiteur barham le bon dirigeant Je ne cesse de me poser cette question. Qui est Barham radiallahu ta'ala anhu? Of course, who is Barham? And this answer comes to me and tell me, I'm the man of the world, or the world man. C'est là que cette lumière, cette essence de la news divine est apparue. Je vois un bel homme. Je vois un homme avec une jolie barbe. Je vois un homme avec un sourire qui tue. Je vois un homme de Dieu. Je vois un homme qui ressemble à Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Je vois un homme qui ressemble à Sha'amet Tidiane Sherif radiallahu ta'ala Je vois un homme avec un charisme inexplicable. And there, I saw this man that I never seen in my life. And there, I saw this man who makes me like I'm today. This man that I'll never forget here and beyond. This man is Barhama. Barhama wallahi can do you. Barhama wallahi begnella. Barhama, tu es notre vie, notre bien-aimé. Le saint sans dimension. Tu es l'océan sans plage. You are the slave of the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam. And we all know that the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam عند خطب الأولياء شعب تيجان شريف رضي الله تعالى عنه are proud of you مولانا شيخ الإسلام برهام بحر الأم لبيد بسم الله لآد الله إرد الرحمن الرحيم لأشد حمد الله آد أحمد لأمد محمد لأد أمير لأد ليلو لأد لا فان دو مو تيجان لأد لا فان دو مو سلطان لأد لا فان دو مو دو جوس لأد لا فان دو تون برهام les mots nous manquent pour parler de toi. Bagnès un nom qu'il mérite, car il est notre père, le père des pères, Abul Arwahi. Bagnès, you are our story, you are our beloved, you are our Habibi, and we pray God to be always with you. Alhamdulillah, Jerejefe Bagnès, Jerejefe Bagnès, Jerejefe Bagnès.